Je suis, avec, euh, je suis venu ici avec une délégation des membres du Conseil supérieur de métro le trésorier Amatidjani Tal, euh, Morley, euh, vice-président département, départemental de Refiski. Nous sommes venus avec euh, son, notre ami Sabahuddin Adam, représentant de l'association Khairat Turquie. nous sommes venus ici pour notre programme de distribution de livres de cinq corans, euh, comme euh, vous le savez, comme, euh, en tant que président du Conseil supérieur métocranique et collaborateur du président de la République, nous avions effectué une visite, une, mission en Turquie. C'est le président de la République même qui nous a envoyés là-bas pour rencontrer les, bonnes, les, les organisations humanitaires en Turquie. Donc j'ai rencontré cette association Khairat qui est en, imprimerie euh, le deuxième après celui de Malik Fahd. Euh, ils nous ont envoyé 32 400 des livres de Saint-Coran, 32 400 de Jus ou ainsi que 32 400 de syllabaires arabes. Donc euh, c'est le président même qui nous a demandé de les distribuer aux écoles coraniques et aux mosquées à travers les 45 départements, mais aussi aux guides religieux du Sénégal. C'est par euh, ce programme-là que nous sommes venus ici à Bambilor pour remettre le chef euh, Ahmed Tidjaniba Khalifa Bambilor 180 euh, exemplaires de Saint-Coran et 180 exemplaires de jus ou Yassine. Voilà. waaye teewal fi itam euh, association bi nga xam ne mooy majlisul la muy conseil supérieur maître coranique fii ci Sénégal ànd ak euh, mbégte lool ci gan ñi nga xam ne ñoom lañ am te ki nekk ci bopp bu association ba di Thierno Ahmed Tidiane Talla ànd ak suñu gan gu tedd gi nga xam ne moo bàyyi koo Turquie ñëw defal ñu teraanga yu rëy yi ànd ak itam Ahmed Tidiane taal moom itam bokk na ci délégation bi ñu wax ne rek benn jéego rek la ñu am gis ngeen nii ñu ko defee nii fii ci Bambilor noonu lañ ko defee ci mbooleem 45 département yi waaye noonu lañ ko defee itam ci mbooleem këri diine yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal loolu kaddu la woon goo xam ne dana jaadu dana yellu itam ñu sànni ko ci jotaay bu toll nii sant leen yéen itam en tant que journaliste ak liggéey yu rëy yi nga xam ne yéen a ngi koy def ci xew-xew yu mel nii ñu ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla sàmm leen te suturaal leen te barkeel mboolem seen liggéey. waaw événement bi euh, mënees na cee dellu si ndax solo soo xam ne am na ko xam nga Sénégal suñ tuddee kilifa diine lay tax ñu di ko ko wooyee mooy alquran mooy yàlla subhaanahu wa te diine jooju. benn sukkandikuwaay rek laa mooy téere yàlla bi subhanahu wa looloo tax nag bi ñuy tànn ñu ne lu toll ne wax yàlla subhanahu wa taala joxe ko jaadu na waaye joxe ko ci kilifa ci kër xalifa yi nag moo gën a jaadu loolu mooy sabab ñu def daje bu mel nii ngir lan ngir dooleel alquran waaye ngir jëmmal itam ñi nga xam ne ñoom lañ am ñoom lañ nekk ak ñuy di suñuy kilifa waaye nekk itam ay sëriñ ci ñun loolu mooy sabab li nga xam ne moo waral ñu daje fii tey ci daje bu am solo bii.